forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le forum de la presse de Studio Kalangou. Le forum de la presse, comme vous le savez, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. À suivre dans le forum de la presse de ce soir, l'évolution du Covid-19 et les mesures prises par le président de la République du Niger pour contrer cette pandémie. Sur le plan sportif, nous parlerons de la décision du ministère de la Jeunesse et des Sports de lever les sanctions infligées à quelques lutteurs nigériens lors de la dernière édition du Sabre national. Sur le plan sécuritaire, nous revenons sur la grande offensive nommée Colère de Boma, enclenchée par le président tchadien Idriss Déby contre les éléments de Boko Haram dans le lac Tchad. Pour parler de tous ces sujets, je suis avec mes confrères Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, en ligne avec nous. Gary, bonsoir. Oui, bonsoir Alassane. Hussein Issa, journaliste freelance, également en ligne avec nous. Hosseini, bonsoir. Alassane. Et en studio avec nous, Maimouna Diado, journaliste à la télévision Tambara. Maimouna, bonsoir. Bonsoir. Je suis Alassane Kouzi Mohamadou pour la présentation de cette émission. Bienvenue à tous et à tous dans le forum de la presse de Studio Kalangou euh, de ce vendredi 3 avril 2020. Euh, Actualité oblige, nous débutons ce forum par l'évolution de la maladie à Covid-19 au Niger. À la date euh, du 1er avril, le nombre de cas confirmés de personnes infectées au Niger est de 74, dont 5 décès selon le ministère de la Santé publique. Il y a exactement une semaine, le nombre de cas n'était que de 10 au moment où le président de la République s'adressait aux Nigériens. Monsieur Gare Amadou, Comment expliquer la rapidité de la contamination et de la progression en flèche du nombre de cas au Niger, malgré la précocité des mesures prises par, le, par les autorités, avant même qu'un seul cas ne soit euh, détecté Oui, je, pense que les autorités ont fait ce qu'ils qu devaient faire pour alerter l'opinion nationale afin que les gens prennent des mesures et qu'ils puissent se préserver de cette maladie-là. Mais vous savez, moi je ne suis pas surpris de ces chiffres-là qui sont en train de grimper. Les premières heures, quand des mesures ont été annoncées, on a fait face à une certaine indiscipline d'une partie de la population nigérienne pendant qu'on voulait empêcher les regroupements, pendant qu'on voulait empêcher les, les, les, des mosquées, les gens ont fait fi de toutes ces mesures-là, les gens se sont regroupés dans les mosquées, ils ont vraiment bravé toutes ces interdictions-là. Parfois, ils ont été eh, eh, eh, aidés par certains marabouts ignorants qui ne comprenaient rien à rien, qui ne comprenaient rien à l'islam même, et qui ne comprenaient rien à, cette, à, ces mesures de, de, santé qui visaient à préserver la population. C'est ça qui a fait que, en réalité, ce, chiffre de plus de 70 cas qui ont été décédés. En réalité, moi, pour moi, ce chiffre de 70 c'est que le côté du iceberg. Le chiffre est encore plus parce que, je vous dis, s'il y a quelque chose qu'on a réfléchi à la population libérale, c'était bien l'indiscipline face à des mesures, n'est-ce pas, qui devaient permettre à préserver la population de cette pandémie qui est en train de ravager le monde. Euh, Issa, quel est votre point de vue par rapport à la rapidité de la contamination et la progression en flèche du nombre de cas au Niger ah, mais, alors ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est une pandémie, c'était d'abord une épidémie qui est partie de la Chine et qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure. on voit dans tous les pays où ça rentre, ça pénètre rapidement, ça progresse rapidement. C'est dit d'abord c'est une maladie respiratoire, mais qui est très mortelle c'est aussi lié au fait que ça se répare rapidement, très contagieuse. Ça fait que, bon, toutes les mesures qui ont été annoncées d'abord dans un premier temps, c'est des mesures qui sont venues par la suite. Quand il y a eu les premiers cas, contrairement à ce qu'a dit Gary, c'est quand il y a eu les premiers cas que les premières mesures ont commencé à tomber, notamment l'interdiction des prières collectives. Même dans les pays occidentaux où aujourd'hui ça fait des ravages chaque jour, ils n'arrivent pas totalement à faire respecter les mesures qu'il y est une bonne chose, le fait de parvenir à faire respecter les musées. Mais vous savez, dans notre pays, nous sommes dans une situation où ben, les gens, il faut qu'ils sortent pour chercher à manger le matin, forcément. Quand la personne, il y a beaucoup qui sont dans des activités informelles, quand la personne ne sort pas, la personne n'a pas à manger. Maintenant, c'est une question de sensibilisation sur le long terme, pouvoir endiguer le fléau. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens ne vont plus faire des prières collectives, de plus en plus, et comment vais-je dire, les regroupements, notamment les manifestations, cérémonies, baptêmes à tout ça c'est interdit. Ça va aller très vite à partir du moment où c'est respiratoire. Ça va très vite. Il suffit de quelques crachats, quelqu'un qui les germes, le virus, il suffit qu'il pousse, qu'il crache à côté de quelqu'un. Vous connaissez un peu, vous connaissez un peu, je n'ai pas besoin de vous le dire. Comment les gens vivent dans notre pays Les gens sont dans la promiscuité totale. Hmm. Et ça fait que les premiers cas, il faut aussi le souligner, les premiers cas ont été importés, les premiers cas. C'est par la suite que maintenant, ça a pénétré. Aujourd'hui, il faut s'attendre, on ne le souhaite pas, il faut s'attendre à ce que ça prenne beaucoup plus d'ampleur. Parce que quand on annonce que dans la région de Maradi aussi, on a décelé deux cas, c'est dit il faut s'attendre à beaucoup plus. Euh, euh, vraiment, c'est déplorable. Mais le dispositifs mis en place, euh, il ne suffit pas simplement de sensibiliser. Créer aussi les conditions pour que les gens puissent accéder, en tout cas, ne serait-ce que au dispositif permettant de faire le test, mais également au dispositif de prise en charge. De prise en charge. pas d'aller confiner. Nous allons revenir. Nous allons revenir au studio avec euh, Maimouna Diado. Maimouna, alors, comment est-ce que vous, vous avez accueilli en tout cas cette progression rapide de, cas de personnes infectées par le Covid-19. Euh, voilà. Euh, voilà, donc euh, je me dis que à la date d'hier, seulement 74 cas et 5 décès. Je me dis que ça va vite. Ça va vite aujourd'hui. Comment est-ce qu'il faut faire C'est que même les mesures qui ont été, en tout cas, les mesures de prévention, qui ont été prises par le gouvernement ne sont pas respectées par la population. Mmh. Parce que jusqu'à présent, quand tu fais un tour au niveau peut-être de certaines mosquées, tu vas constater que les prières collectives continuent dans certains endroits, en tout cas du Niamey. Mmh. Et quand euh, le risque également est grand, quand, parce que tout simplement, quand vous voyez les populations, comment ces populations se déplacent, il y a d'autres qui ne croient pas en la pandémie jusqu'à présent. Hmm. Peut-être que le gouvernement. en tout cas, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui, ne croient pas. Qui ne croient pas. à cette c'est une maladie qui, euh, est pour les autres. Que, c'est pour les hmm. autres. Ils ont l'habitude de dire que ça n'attrape pas. En fait, c'est les riches. Et du coup, les, mêmes comportements, c'est les mêmes euh, comportements. Euh, parce que toi, toi, tu es en train de faire. Parce que tu es en train de te protéger avec les mesures préventives données par le gouvernement, éditées par le gouvernement. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que quand par exemple tu prends un taxi, tu rentres dans le taxi, tu vois que le conducteur de taxi même n'est pas protégé. Hmm. Donc déjà tu as, tu, as, tu, as, quelque chose dans la tête qui te dit que... Donc ça veut dire que les consignes, les mesures, là, ce n'est pas hmm. toute la population en fait aujourd'hui qui les applique. Et comment... Oui, hmm. comment est-ce qu'il faut faire Il faut aller davantage vers la sensibilisation. Il faut toujours continuer à aller vers la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, les cas là, ce qu'on vient de nous dire 114 là, mm. les 114 ont eu ah, euh, des contacts ont avec, été combien, en contact avec, combien de personnes, Avec combien de personnes Ces mm. personnes-là, il faut les chercher, il faut les confiner. Mais comment est-ce que ça progresse du jour au lendemain Il faut s'attendre aujourd'hui aussi pour avoir encore d'autres la situation peut-être qui va aller au-delà de 114. Mm. Et il y a d'autres, à part Niamey, il y a les régions. Il y a hmm. d'autres régions qui ont déjà commencé à dire qu'ils ont déjà vu des, cas comme suspects, Maradi. Euh, déjà et comme on a dit, le virus est trop malin. C'est un virus qui est en toi et qui te permet qui fait 14 ou 15 jours avant, que, ça, avant que ça ne se manifeste. pendant, ce temps, pendant ce temps, tu as eu à voir euh, combien de personnes Parce que toi-même... Les contaminations sont voilà, toi-même, tu ne sais pas si tu en as ou bien tu n'en as pas. Aujourd'hui, tout ce qu'il faut faire, c'est vraiment de suivre les consignes. vraiment, d'hygiène, de, de, de, prévention. Parce que c'est ça, c'est la seule solution, c'est la seule arme que nous avons pour l'instant. Et quand vous voyez que ce virus a mis à genoux les, les, pays, euh, les puissances, mondiales aujourd'hui. Donc euh, le Niger, pour le Niger, vraiment, ça sera très, très, très, très, très critique si on n'y prend pas garde. Et si aujourd'hui la sensibilisation doit commencer à la maison, sensibiliser d'abord vos proches avant que ça soit dehors. Hmm. C'est encore mieux. Alors, il y a une semaine, hein, le président de la République, Issoufou Mamadou, s'adressait aux Nigériens pour annoncer de nouvelles mesures relativement à la prévention du coronavirus. Entre autres mesures figure euh, l'isolement sanitaire de la ville de Niamey pour deux semaines, la grâce présidentielle accordée à 1500 euh, prisonniers, parmi lesquels le chef de file de l'opposition Mamadou, Il y avait aussi la prise en charge de la tranche sociale des factures d'eau et d'électricité pour les mois d'avril et de mai. Alors, euh, Gare Amadou, quelle est la mesure qui vous a marqué le plus et pourquoi Moi, je pense que la mesure qui m'a le plus marqué, c'est vraiment euh, le fait que euh, vraiment des, prisonniers ont été relaxés. Vraiment ceux qui avaient quelques mois à, à, vraiment ils ont pu ils ont pu recouvrir leur liberté. Je pense que c'est une très bonne mesure parce que, comme vous le savez, c'est la promiscuité qui permet aux virus de se propager. Donc, je pense que c'était une très bonne décision. La deuxième bonne décision, vraiment les mesures fiscales d'allègement fiscal, euh, qui ont été euh, qui ont été prises pour certaines entreprises économiques, hmm. nest pas, de pouvoir supporter cette période vraiment euh, terrible. Hmm. Je pense que ce sont des mesures salutaires hmm. et, je, crois qu'il il, est de notre devoir en tant que citoyen aussi d'aider les autorités à lutter contre cette maladie. Moi, je me réjouis d'une seule chose, selon les explications que j'ai compris, les explications du ministre de la Santé, la plupart des décès là, ce sont des gens qui n'ont pas été confinés. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient peut-être qui avaient des, des, problèmes euh, médicaux à la maison, hmm. qui ne savaient pas que c'était le Covid-19. Hmm. Et finalement, euh, le jour où la, la chose s'aggrave, on les amène à l'hôpital, c'est vraiment trop tard. quoi. Hmm. Pour, la, pour le moment, moi je crois que le système de prise en charge euh, des, malades au Niger n'est pas, pas vraiment n'est pas très mauvais. Hmm. Je pense que c'est ça qu'il faudrait encourager. C'est un aspect sur lequel nous allons revenir, Garé. Ok. Mm. Issa, est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui vous a marqué, euh, euh, notamment par rapport aux mesures prises par le président de la République la semaine dernière lors de son allocution oh, mais, Je pense que toutes les mesures qui ont été dictées par le président la, semaine dernière, le président de la République la semaine dernière, il y a une très 13 mesures au moins je pense que c'est des, mesures, euh, c'est des bonnes mesures. En période de pandémie, de pandémie grave, il faut savoir prendre les dispositions. Les dispositions ont été prises, le fait de libérer, comment vais-je dire, 1500 euh, prisonniers pour désengorger les, maisons zones d'arrêt. Mm. Et le, fait de, dire aux gens de respecter les mesures d'hygiène, notamment parce que ça a été rappelé, le fait de fermer les écoles et tout et tout, mmh. ça va, on est au nombre de, il y a environ 36 mesures à cette date-là. Mmh. Mais maintenant, ce qui se pose comme problème, en tout cas au niveau social, l'accompagnement des populations les plus faibles, notamment la facture d'eau et d'électricité pour les trains sociaux qui, euh, qui, va être pris en charge par l'État. En tout cas, pour les mois d'avril et demain, c'est ce qui a été annoncé. oui, tout à fait. Mais là, là, alors, on ne précise pas exactement parce que la tranche sociale, c'est quoi la facture C'est autour de 3 5000 000, 5 000. Et quand on dit il y a environ moins de 200 000 abonnés sur l'ensemble du pays, hmm. quand on fait la comptabilité à ce niveau, on va réaliser que, évidemment, on a choisi là où ça fera moins mal à hmm. l'État. Maintenant, de l'autre côté, concernant et, et, le feu il faut voir par exemple tous les commerces, tous les commerces et nocturnes qui sont impactés à partir de 19 h mm. Ce n'est pas en soi le de feu qui est répréhensible, mais le fait de mettre ça à partir de 19 h mm. À partir de 19 h les activités continuent encore dans la ville, un peu partout dans le monde, c'est comme ça. Si on ramenait ça à 21 h ça allait encore soulager davantage les populations. Imaginez quand vous circulez, tous ceux qui sont en train de vendre, il y en a, ils font que la nuit, à partir de 16h, ils commencent, ils vont jusqu'à 23h, minuit, 1h du matin. Et ce n'est plus possible maintenant et, ce n'est plus possible maintenant. la dernière fois, j'ai profité d'un point de presse et d'une conférence animée par le ministre de Finances, je lui ai posé la question. Comment ces gens-là vont être pris en compte dans l'accompagnement social il dit bon, ben, on ne peut pas prendre tout le monde en même temps. Peut-être qu'il faudra, il faudra que, que, les gens s'adaptent, non il faut, il faut, tenir compte du fait que c'est des activités commerciales qu'ils exercent. C'est notamment à partir de l'après-midi, ça débute jusqu'à une certaine heure de la nuit. Et c'est dans ça qu'ils survivent, c'est dans ça qu'ils donc pour vous, Donc pour vous, le, couvre-feu et, les, horaires arrêtés pour le couvre-feu Oui, bien évidemment. Dans tous les autres pays, c'est aux alentours de 20h, 21h. À 19h, on vous dit il faut fermer. Vous devez être chez vous à partir de 19h. Hum, bien, moi, j'ai dit, hum, D'accord, il faut confiner. Mais quand il faut confiner, il faut tenir aussi compte de ce paramètre-là. Parce que quand les gens n'ont pas à manger, Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Et quand, au niveau de l'accompagnement social, ces gens, il n'est pas évident qu'ils soient pris en charge. Comment vont-ils devenir si d'aventure la mesure devait être reconduite encore pour deux semaines. Alors nous revenons au studio, euh, oui, nous avons <laughs> compris votre inquiétude euh, par rapport en tout cas à tous ces gens qui vivent des petits commerces euh, qui, qui débutent le plus souvent le soir jusqu'à tard la nuit. Maïmouna Diado, vous avez également suivi les mesures édictées par le président de, la République. Qu'est-ce qui a euh, marqué votre attention Bon, euh, les, 13 mesures, euh, je pense que c'est des mesures raisonnables. Et ce qui m'a aussi vraiment fait réjouir, c'est surtout la distribution gratuite des vivres aux nécessiteux mmh. et le prix, la vente à prix modéré, à prix modéré qui va intervenir incessamment. Euh, pour pouvoir les soulager. Ceux qui n'ont pas en fait de quoi rester chez eux auront de quoi peut-être survivre un peu. Et il y a également les prisonniers, les 1500 prisonniers qui ont été libérés. Euh, dont amadou faisait partie. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, c'est un combat pour tous les Nigériens, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité. On a tous intérêt aujourd'hui à, à, survivre, à, rester vivant. Parce que comme il l'a dit, il faut d'abord être vivant pour pouvoir penser à faire de la politique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul ennemi commun qu'on a, pour le Niger, c'est Covid-19. Et je pense que les mesures ont été raisonnables. Mais tout à l'heure, j'entendais je, euh, qui parlait de, petit commerce et autres. Mm. Il faut que ces gens sachent que nous sommes dans une crise sanitaire. Et dans une crise sanitaire, on prend d'abord les premières dispositions. Quand ça, ça, la situation va revenir à la normale, petit à petit, peut-être hein, le couvre-feu, on pourra aller un peu plus loin pour le couvre-feu. Mais pour l'instant, on ne peut pas, comme l'État l'a dit, on ne peut pas prendre tout le monde en charge. Donc c'est à nous, en tout cas, de nous réorganiser de voir comment est-ce que nous allons faire face à cette situation. Hmm. Parce qu'il faut qu'on s'adapte. Il y a d'autres pays. Heureusement pour nous, le Niger, on n'est pas encore arrivé à là et on ne le souhaite pas. Il y a d'autres pays aujourd'hui qui sont confinement total de 40 jours. Quand vous regardez, donc 40 jours, si on demande aujourd'hui à une population comme le Niger de se retrouver confinée 40 jours sans sortir, de quoi est-ce que nous allons vivre Bon, maintenant, c'est à nous de nous préparer petit à petit pour pouvoir voir l'évolution des choses. Alors justement, aujourd'hui, quelles sont à votre avis les mesures de prévention et de gestion qu'il convient de mettre en œuvre urgemment, tout en tenant compte justement en tout cas du contexte nigérien de vulnérabilité des ménages Bon, les mesures, euh, je pense que les mesures sont déjà là. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour les adapter à notre société, au contexte que nous vivons actuellement C'est ça aussi qu'il faut se demander. Parce que, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas dire donc à une famille peut-être qui n'a pas de quoi aujourd'hui subvenir à ses besoins, de rester ne serait-ce que de, 19h jusqu'à 6h du matin dans une maison cloîtrée. Euh, cette personne, c'est vrai, a besoin de manger parce qu'on voit, surtout dans la rue, ces mendiants c'est talibé. Sur quoi mettre l'accent aujourd'hui Aujourd'hui, mettre l'accent, c'est surtout sur la prévention. C'est quoi C'est l'hygiène. se laver régulièrement les mains. Se laver régulièrement les mains. dans C'est ça, en fait, il, faut, il, faut, il faut que chaque Nigérien se mette en tête que ça, c'est la première mesure, la première mesure de prévention que je dois prendre. Je ne le prends pas pour quelqu'un d'autre, je le prends pour moi-même. Je fais pour, mettre en, pour ne pas mettre en danger ma famille, pour ne pas me mettre en danger moi-même. Donc, il faut que je suis. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui, qui, qui, qui trouvent anormal que des gens qu'ils aiment, des gens qu'ils chérissent, avec lesquels ils sont tous les jours, qu'ils puissent. Euh, oui, oui, qu'ils ne puissent euh, pas faire de la qu'ils ne puissent pas se serrer la main. C'est des chose choses qu'il faut qu'on aille de l'avant avec ça. Il, n'est plus possible aujourd'hui qu'on se serre la main, qu'on se donne la main, qu'on se donne des accolades. Parce que personne ne sait qui a rencontré qui, a, touché à quoi. Aujourd'hui, moi, euh, par exemple, tu ne peux pas savoir qui j'ai vu avant de venir ici dans ce studio. C'est la même chose que je ne peux pas aujourd'hui confirmer que, qui est-ce que vous, vous avez vu avant de venir ici. Donc, il faut qu'il y ait des mesures. Les mesures-là, il faut qu'on les fasse nous-mêmes pour, notre, pour nous garantir la santé. Pour se protéger et protéger sa Oh, on, dit qu'on ne vit qu'une seule fois. <laughs> Donc, dans ce cas, il faut se protéger. Gare Amadou, sur quoi mettre l'accent aujourd'hui pour prévenir davantage la population nigérienne contre ces fléaux oui, je crois que Memouna a tout dit. Je pense hmm. qu'il faut vraiment euh, continuer la sensibilisation et surtout adopter les gestes qui s'ouvrent les gestes qui sont, ce sont les gestes d'hygiène. C'est-à-dire que, vous savez, depuis que cette maladie-là est rentrée, nous, on a même oublié comment, comment donner la main à quelqu'un, on a oublié. Mm, mm. Vous comprenez mm. Et donc, je pense que c'est des comportements qu'il faut avoir. Il faut avoir vraiment des comportements d'hygiène parce que c'est encore un des défauts euh, euh, des Nigériens, euh, n'est-ce pas En tout cas, d'une partie de la population, une certaine absence d'hygiène. Je pense que le lavage des mains, il ne faut, pas qu'on ait honte de cela. Il faut qu'on puisse les réadopter en tout temps, en tout lieu, de laver nos mains, laver dans les services, il faut comment, désinfecter les tables sur lesquelles, par exemple, les rédactions, si nous sommes des journalistes, les gens viennent s'asseoir, nest pas Même si on ne se donne pas la main, bon, les gens viennent sur les tables, ils, travaillent. Après, bon, il faut désinfecter les tables régulièrement. Mm-hmm. Vraiment, ça, ça peut permettre à ce qu'on puisse vraiment, en tout cas, freiner cette propagation de la maladie-là. Mm. Je pense que ça, ce sont les mesures qu'il faut qu'on adopte. Et, les tables et aussi les, micros, les bonnettes qui sont utilisées, ça vraiment pour ce qui concerne le monde des médias. Les micros avec lesquels les interviews sont réalisées, les micros avec lesquels beaucoup de gens sur lesquels beaucoup de gens travaillent. quand vous faites, l'interview avec à quelqu'un en live, c'est-à-dire que là, vous, vous, vous, tendez le micro et puis vous tournez la tête. Est-ce que vous comprenez C'est ça que certains ont adopté. Certains couvrent le micro avec du, plastique. Mais je pense que ce ne sont pas des, gestes qui sont, en tout cas, inutiles. Il faut qu'on puisse les multiplier. Et surtout, j'ai dit au niveau des réactions, désinfecter les tables, les douches, tout le temps, tout le temps, tout le temps les poignées de porte, les poignées, euh, les, allées, les escaliers. C'est des choses souvent minimes auxquelles on ne pense pas toujours, voilà, parce en fait, en fait, le problème, c'est qu'on ne se donne pas la main, mais nous touchons tous les portes. Les mêmes choses. Nous ouvrons les portes, vous comprenez Les portes des toilettes, nous les ouvrons. Donc, on revient à la même chose. C'est-à-dire que, ah, donc, il faudrait quand même qu'on puisse vraiment adopter des méthodes de désinfection euh, euh quotidiennes. Régulières. Hussein euh, Issa Oui, mais vous savez, euh, les mesures d'hygiène, là, j'ai comme l'impression que, bon, on considère que les gens sont sales. Ce n'est pas une question de saleté. Je crois que l'ancien président de la République, sous la 5 République, l'a dit. Mhm. gars. Oui. Tout le temps, on est entré au moins cinq fois dans la journée. Mhm. On se lave aussi. Mhm. On se lave. Oui. Ça, c'est de ce côté-là, de ce point de vue-là, bon, au savon, d'accord, il faut se laver au savon, il faut laver ses mains avant de manger. Tout ça, c'est des mesures qui sont là. Peut-être qu'ils ne sont pas appliquées par tous, mais Je veux dire, face à cette maladie, il est évidemment nécessaire de les renforcer. Juste. Mais indépendamment de ça, quand euh, euh, on parle de ce côté hygiène, c'est comme si on donne l'impression que les gens ne sont pas hygiéniques Moi, je me mets à, à, je, je, contredis cette. Euh, cette vision de la chose. En fait, moi, en tout cas, ma compréhension, Hussein euh, Issa, ce n'est pas forcément parce qu'on pense que les gens sont sales, mais parce que cette maladie, cette maladie rentre dans le corps humain à travers le nez, à travers la bouche, et c'est les mains justement qui apportent ça. Il faut voir l'environnement dans lequel on évolue. Quand vous sortez dans la rue, hmm. l'air que vous respirez, est-ce que c'est de l'air propre Est-ce que c'est véritablement hmm. Parce que c'est tellement sale, vous passez à côté des égouts, de ceci, de cela. Hmm. Tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte. C'est des paramètres importants à prendre en compte. Maintenant, je, suis ravi que Maïmouna reconnaisse que il faut faire, euh, machin, il y a le social qui comporte notamment la Tenir compte de, la vulnérabilité des ménages. La vulnérabilité, mais le problème, le problème, c'est que je suis dans la logique où il n'y a pas un travail qui a été fait en amont par rapport à ça. Vous savez, <laughs> cette histoire de distribution gratuite de vie, hmm. cette histoire de vente à prix modèle, tout ça là, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Maintenant, est-ce qu'on a ciblé les populations qui sont impactées, qui, vont, sont qui vont, impactées, qui vont bénéficier de cela qui, qui, vont bénéficier de ça. C'est la question Qui... Parce qu'on dit qu'il y a 587 milliards de francs qui vont être injectés dans le cadre de la stratégie de lutte contre cette pandémie. Mm. Est-ce qu'on a cherché à savoir le nombre exact Parce qu'il ne sert à rien de dégager un tel montant et que, en fin de compte, juste on dit aux gens ne sortez pas pour faire votre commerce, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais de l'autre côté, on a développé l'argent, mais ça prend une autre destination. C'est ça qui, risque. Moi, j'ai craint que ça ne puisse pas profiter à ceux qui doivent en bénéficier. Ah, bien, évidemment. Mm. Alors, imaginez, oui, Ousseini, on a compris, on a compris votre inquiétude. C'est qu'il y a des sommes qui ont été déboursées, il faut que ça aille vraiment euh, vers les bénéficiaires. Nous avons passé beaucoup de temps sur ce sujet. Nous allons passer au, troisième, au deuxième. Pour c'est qui est confiné. Pour l'instant, c'est qui est confiné, c'est qui est placé en état d'urgence. D'isolement sanitaire. oui. L'état d'urgence sanitaire et d'isolement sanitaire, ça veut dire la même chose. Mhm. Mais alors, est-ce qu'on a fait une étude pour savoir exactement quelles sont les populations qui doivent bénéficier Mais imaginez, on est dans une situation où quand vous allez dans les pharmacies, les masques et tout, et tout, il n'y en a pas. Les médicaments, on dit que le chloroquine a un effet. Ousseini, nous espérons que vos questions tomberont dans des bonnes oreilles et qu'ils trouveront des réponses. Nous allons passer au second sujet, Ousseini, parce que nous avons passé déjà 25 minutes sur ce premier sujet. Il nous reste deux autres. Euh, voilà, abordons le second sujet de ce forum en sport dans une correspondance adressée à la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle. Le ministre de la Jeunesse et des Sports euh, euh, a informé de la levée des sanctions infligées à des lutteurs lors de la dernière édition du Sabre national de lutte traditionnelle. Une décision prise après une rencontre avec l'association des anciens lutteurs précédée d'une demande allant dans ce sens, précise, la lettre. Alors, Ousseini, quelle appréciation vous, vous faites de, cette décision du, ministère de la Jeunesse de lever les sanctions infligées à, ces lutteurs, vous vous rappelez, lors de la dernière édition Quelle appréciation vous voulez que je donne à la fin hmm. Quelle appréciation Votre point de vue non, non, non. Pour vous, c'est à point nommé ou... Euh? On, connaît, on connaît comment les choses se passent. Comment ça se passe On comment les choses se passent. Mais vous ne pouvez pas prendre, parce que c'est ça le manque d'autorité de responsabilité. Vous ne pouvez pas prendre une mesure. Vous dites qu'ils sont suspendus sur telle période. Et au bout de l'année prochaine, parce que ça approche, pour les réhabilitez, Ça s'est passé comment Par quel mécanisme C'est le ministre qui dit par arrêter, on a réhabilité. En fait, il y a eu des démarches, en tout cas, il y a eu des démarches où des anciens lutteurs sont partis les voir. Hmm. Pourquoi ne pas expliquer aux citoyens les démarches qui ont été menées pour que effectivement ces sanctions-là soient levées. C'est quelque chose qui a été précisé dans la lettre. que bon, on va lever les sanctions parce qu'ils doivent assister. Mais on, sait qu'est-ce qui s'est passé. On sait qu'est-ce qui s'est passé. Hmm. C'est ça les problèmes de ce pays-là. Parce que les gens, ils, sont là en poste de responsabilité. Donc pour vous, on ne devait pas revenir sur ces sanctions Non, on mais je revenir, mais attends, lutteur là égal à lutteur. Il y a eu les Langalanga, il y a eu les Bala Kalto, la Bala, comment il s'appelle, Bala Dansani, il y a eu beaucoup de lutteurs, il y a eu les Langalanga, il y a eu les... Euh, comment on appelle Salma Darani, tout hmm, ça. Hmm. Mais la lutte, c'est une période c'est pas parce que vous avez été champion ou ceci, cela. Quand alors, vous, quel... par rapport à un comportement anormal, quand on vous disqualifie, on doit pouvoir respecter ça. Quels sont, quels les points positifs et négatifs que pourrait engendrer une telle décision En fait, l'impact que pourrait engendrer. Oui, mais ça va continuer. Dans tous les cas, la fraude, les tricheries là vont continuer. Ça va continuer. Ça va continuer parce que tout simplement, les gens vont se dire bon, moi, je suis champion, je, suis déjà tombé en tant que champion. Je vais continuer et ce n'est pas la peine que je terrasse quelqu'un qui a, qui, a la chance de remporter le sable. Je préfère négocier où ils vont venir me trouver. en s'entend. Hmm. Et puis bon, je laisse passer le lutteur. Tout ça, ah, j'ai dit. Regardez dans le domaine de la boxe sur le plan mondial. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que là, c'est un site à défendre si vous tombez, si le monsieur qui est là, parce qu'il y a un âge où il faut savoir arrêter. Vous avez gagné une fois, deux fois, trois fois. Mais pourquoi ne pas arrêter <laughs> Vous voulez continuer et on va vous humilier après Bien, nous, hmm. alors, nous, revenons au studio au euh, pour, pour, donner la parole à Maimouna, Djado. Diado. Euh, vous avez appris aussi également avec nous cette décision du ministère de la Jeunesse et des Sports qui levait les sanctions euh, contre infligées à certains lutteurs euh, lors de la dernière édition du Sabre national. Hum. Comment vous, vous, avez accueilli cette nouvelle et comment vous l'appréciez Bon, je me dis que hum, c'est suite à une démarche de l'Association des anciens lutteurs hum. euh, du Niger que ça aboutit. Donc je pense également que, bon, on peut, soit euh, c'est de bonne guerre. Pourquoi je dis c'est de bonne guerre Peut-être que personne ne sait ce qui se sont dit Personne ne sait jusqu'à tel point où euh, ils ont pu échanger hmm. pour pouvoir arriver à cela. Hmm. Et on a toujours dit que dans pareilles circonstances, il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut échanger, parce que peut-être que euh, ça ne sert à rien aujourd'hui de les garder sanctionnés. Hmm. Euh, pour eux, ça peut être le cas. Et pour d'autres euh, problèmes également, on peut regarder également le côté négatif parce que quand un lutteur est sanctionné et qu'on revient, euh, on négocie pour ce lutteur, demain il y aura d'autres qui feront pire. Et c'est ça aussi. Donc il faut apprendre à ces lutteurs à respecter les règles. Les règles qui, qui, se sont eux-mêmes établies. Donc ces règles doivent être respectées. Et qui sont connues par tous avant le début de chaque championnat. Voilà, ces règles doivent être en tout cas respectées par tout le monde. Mais bon, euh, c'est la loi également. Ça leur donne également la possibilité de négocier et d'arriver à un consensus. Et le consensus est là. Mais tout ce que nous voudrions, c'est que de pareilles choses peut-être ne soit pas encore d'actualité. Hmm. Donc quand il faut sanctionner, il faut sanctionner. Il faut avoir des arguments nets précis et clairs pour pouvoir sanctionner. Qui justifie, une, sanction. Hmm. Et une sanction, quand on la prend, c'est vrai, il est difficile de revenir sur cette sanction-là. Hmm. Mais dans d'autres cas, il est également préférable d'alléger les choses. Parce que souvent, les sanctions, quand on a oh. l'habitude de dire qu'elles sont pédagogiques. En fait, ça, permet, non seulement de, de, celui qui l'a commis voilà, et qui seront oui, oui, ça sera une leçon, une leçon peut-être pour ceux qui ont été sanctionnés et qui ont peut-être euh, avec euh, euh, cette possibilité de dialogue de l'association, peut-être ils ont pu pouvoir lever ces sanctions, mm. mais ça sera également rester, ça va rester dans leur petite tête que demain, il ne faut pas refaire, parce que si vous, si vous faites encore ce genre de choses, je pourrais qu'il n'y aura pas l'association pour venir à bout de cette situation. Donc, ça veut dire que les sanctions aussi, il y a des sanctions dans sanctions. Les sanctions peut être, peuvent être minimes, comme les sanctions peuvent être des sanctions lourdes. Voilà. Gary Amadou, quel est votre point de vue par rapport à cette décision, en tout cas du ministère de la Jeunesse, au sujet de la lutte traditionnelle, notamment ces lutteurs sanctionnés qui, euh, en tout cas, viennent de, bénéficier d'une grâce, euh, entre guillemets, désolé. Oui, vous savez, d'habitude, je ne suis pas d'accord avec Hussein sur beaucoup de sujets, mais là, sur ce sujet-là, vraiment, je suis entièrement d'accord avec lui. Ça, fait pas sérieux euh, de sanctionner des gens pour des tricheries aussi vives que celle-là. Et puis, quelques mois après, parce que des gens ont fait une délégation, ils ont fait une lettre et puis on les ramène. C'est-à-dire, quelle est la pédagogie en fait qu'on donne à la chose Moi, c'est ça mon problème. Moi, j'aurais voulu que ces gens-là qui sont sanctionnés, le prochain championnat-là, qu'ils ne puissent pas participer. Et comme ça, ceux qui seront tentés au cours du prochain championnat de tricher sauront à quoi s'en tenir, vous comprenez mm. Donc, moi, je n'ai pas trouvé ça extrêmement pédagogique. Je suis d'accord avec Moussaïni. C'est vraiment, euh, c'est nul comme décision. Moi, j'aurais bien aimé vraiment que ces sanctions-là soient maintenues parce qu'il s'agit justement de faire en sorte que les jeunes puissent ne plus répéter les mêmes erreurs et faire en sorte qu'il y ait une certaine discipline au niveau des championnats de lutte professionnelle. Mm. Alors, merci. Nous, passons au dernier sujet du forum de la presse de ce jour. Euh, je le disais en tout début, le président tchadien Idriss Déby a lancé le dimanche 29 mars dernier l'opération dénommée Colère de Boma contre les éléments de Boko Haram. Cette opération intervient une semaine après l'attaque subie par l'armée tchadienne à Boma, vous vous rappelez, et qui a fait 98 soldats tués. Euh, le président tchadien s'est rendu lui-même sur le théâtre des opérations pour lancer cette opération dite colère de Boma, dont l'objectif est de venger ses soldats tués, mais aussi de nettoyer la région du lac Tchad, qui a par ailleurs été déclarée zone de guerre. Alors, euh, Gary Amadou, quelle est l'analyse qui vous inspire cette attitude du président tchadien Idriss Déby Itno ah, il faut, il, faut, dire que le président Idriss Déby a été blessé par l'hécatombe suivi par son armée à Boma le 92 militaire. Il a même lui-même dit que c'est des meilleurs, les meilleurs militaires, en mm. tout cas de l'armée tchadienne, qui sont tombés mm. au niveau de Boma. Mais je pense que le fait qu'il y a une contre-offensive qui est en train de se préparer, en tout cas qui est déjà en, cours selon certaines informations, c'est une très bonne chose. Il faut que cela se fasse en coordination. Je crois que c'est ce qui est en train d'être fait en coordination avec les, les forces nigériennes, nigérianes, camerounaises, etc., etc., pour pouvoir, en tout cas, une fois pour toutes, laver le, le, lit du lac Tchad de ces bandes de terroristes-là qui sont en train de semer la mort. Je pense qu'il faut aller jusqu'à c'est-à-dire que euh, ce combat-là que l'armée tchadienne est en train de mener avec les, les, troupes de la sous-région, ce combat-là doit être décisif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse partir jusqu'à la, dans la tanière de Boko Haram. Tuer ses chefs, vous comprenez mmh. Tuer ses mmh. Tuer, et, en tout cas, il faut qu'une fois pour toutes, qu'on puisse le prendre en métaux et qu'on puisse en finir. Mmh. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec la détermination que j'ai vue euh, du président Idriss Déby qui a en tout cas la, la tenue militaire, peut-être que ça va, ça va donner ses fruits. Peut-être que ça ne sera pas fait rapidement, mm. mais je pense que les premiers résultats vont commencer à tomber dans les prochains jours. Oui, pensez-vous justement que l'armée tchadienne seule peut venir euh, à bout de Boko Haram dans cette ah partie de du lac Tchad ah Non, non, ah non. je crois que le, président tchadien est même parti à Ngigimi, n'est-ce pas mm. Où euh, je crois qu'il y aura, il y aura une sorte de coordination entre les militaires nigériens, les militaires tchadiens, les militaires nigériens, les militaires camerounais, hmm. pour essayer d'étouffer vraiment Boko Haram, en tout cas de les, vraiment, prendre à netto. Voilà, hmm. voilà. Je pense que c'est cette, option-là qui est en train d'être envisagée. Et je pense que les armées sont en train de se préparer pour que cette offensive soit, même si ce n'est pas l'offensive finale, qu'elle puisse être en tout cas une offensive radicale qui va permettre de diminuer la capacité de nuisance des groupes terroristes. Hmm. Alors nous revenons en studio, Maimouna Diado. Euh, quelle est l'analyse qui vous inspire cette, euh, attitude du président Idriss Déby, parti lui-même sur le terrain des opérations en tenue militaire, lancer euh, cette opération nommée Colère de Boma euh, contre les éléments de Boko Haram euh, je pense qu'il faut d'abord saluer la bravoure du président Idriss Déby non parce qu'il a tout de suite réagi face à moins d'une semaine, à moins d'une semaine face à cette situation. Non seulement c'est aussi inhumain et cruel de, faire, de perdre 92 92 militaires tués. Hmm. Ça l'a fait, ça l'a affecté, ça l'a touché. Et vous avez vu comment il était déjà, s'est précipité pour se rendre sur le terrain des opérations, pour mener les opérations lui-même. Et je pense qu'avec cette bravoure qu'il a aujourd'hui, avec également le soutien des autres forces armées, que ce soit nigérienne, camerounaise, euh, nigérienne. Mm. Je pense qu'il euh, pourra venir à bout, en fait, euh, nettoyer le lac Tchad, comme il le dit, euh, de, de, Boko Haram. Mm. Et je pense que dans les tout prochains jours, nous allons peut-être voir la situation d'une autre manière. qu'elle soit positive, parce que c'est ça que nous espérons mm. pour les pays, en tout cas frontaliers de ce lac Tchad que nous arrivons ensemble à, vraiment stopper cette situation de Boko Haram. Et vous avez vu également, il s'est tout de suite mis euh, dans vraiment euh, une dynamique euh, de, de militaire. Ce n'est plus le président tchadien, mais c'est en fait un militaire. C'est un militaire qui est sur le terrain. Il n'est plus président tchadien, en fait, en face de l'ennemi, il est un militaire. Et euh, vraiment, euh, il faut l'encourager mm. et il faut vraiment se mettre à l'idée que aujourd'hui, avec cette situation de pandémie de coronavirus, euh, des, des, des, Boko Haram se sert peut-être de cette stratégie parce que pour eux également, la lutte se fait au niveau de coronavirus et on oublie cet aspect. Cet aspect. Et aujourd'hui, le Tchad aussi est dans cette situation de coronavirus. Malgré cela. Malgré, oui, malgré cela, vous avez vu, ils l'ont attaqué. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais je pense qu'avec cette bravoure, cette détermination du président tchadien, on, arrivera à bout peut-être. Et je le souhaite euh, de Boko Haram dans euh, cette partie du lac Tchad. Hussein Issa, euh, quel est votre euh, point de vue, votre analyse au sujet de cette offensive, offensive tchadienne colère de Boma Je veux dire d'abord que c'est d'abord un soldat. Un soldat de terrain. Il l'a toujours été avant d'arriver au pouvoir. Pendant des années, il a combattu. C'est un abri qu'il a pu faire partie du pouvoir. Et qui a dû s'exiler. Maintenant, concernant la lutte parce qu'on on n'est pas dans une logique de guerre asymétrique. Et Donc, connais connaît les positions de l'ennemi. On est dans une, position de guerre classique, plutôt on est dans une position de guerre asymétrique où l'ennemi peut facilement se reconstituer. Vous, arrivez à lui faire des dégâts, il va essayer d'être résilient pour revenir en force. Mm. C'est ça qui s'est passé au Tchad. Sinon, il y a une force multinationale qui est là, qui intervient aussi bien au Niger qu'au Tchad qu'au Nigeria. Alors, est-ce que vous pensez que cette offensive euh, peut être efficace et, peut-être même si elle n'arrive pas à bout de Boko Haram, définitivement peut euh, contribuer largement à l'affaiblir je suis, je suis contre le triomphalisme dans n'importe quel type de lutte. Le triomphalisme, ça n'a jamais payé il a subi de l'OCPAT. Son armée a subi de l'OCPAT environ une centaine de morts. Il s'est déplacé, il allait sur le terrain, il a même fait monter une tente. Il est resté là-bas avec les soldats pour monter le moral en tant que soldat. Maintenant, il y a eu, comment dire, des exactions. En tout cas, il y a eu une riposte qui a fait aussi beaucoup de dégâts dans les rangs des éléments de Boko Haram. Moi, je pense que il y a un problème au niveau de la coordination des forces. Parce que si véritablement les forces sont bien organisées, si la coordination est, bien huilée, ces éléments ne peuvent pas à chaque moment, à chaque fois, se reconstituer et pouvoir attaquer des positions militaires dans nos différents pays. On est en train de vivre ça, ça continue. Ils ont suivi des groupes la dernière fois quand ils sont partis à l'offensive. Ils ont tué au Tchad. Nous avons fait la même chose ici au Niger. Hmm. Mais moi, je veux dire, ce qui doit être de mythe, c'est la vigilance d'abord. Au niveau de, tous les pays. Hmm. au niveau de tous les pays, c'est d'abord la vigilance. Parce que l'ennemi, lui, il a suivi, il va, il se reconstitue, parce que c'est ça qu'on appelle la résilience. Il remonte, il revient avec des moyens et il vous surprend pendant que vous, vous êtes, vous avez baissé la vigilance. Alors rapidement, Ousseini, est-ce qu'il faut euh, craindre par exemple des bavures euh, lors, autour, de, cette grande offensive tchadienne Les bavures là, ça ne peut jamais manquer. Ça ne peut jamais manquer. Est-ce qu'on a déjà dit à quelqu'un que, euh, voilà, il y a un vivier de Boko Haram ici Est-ce qu'on l'a déjà dit, comme c'est le cas dans le, dans le nord Mali, où les gens, ils vivent, les mêmes terroristes vivent avec les populations là mm. Alors... les populations. Ils viennent, quand ils ont envie d'aller attaquer, ils ont planifié leur plan d'attaque. Ils viennent, ils attaquent. Ensuite, ils se dispersent. Oui, mais non, mais bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que jusqu'ici, au Mali, on a pu trouver un emplacement où on dit, ici, c'est une localité, c'est des gens de des djihadistes qui sont là, c'est eux qui sont là. Bien, sait nous allons donner la parole à Garé. Pour... Garé, est-ce que est-ce que euh, est-ce qu'il faut craindre des bavures militaires dans cette grande offensive tchadienne Non, il n'y a pas il a pas histoire de. Pour moi, c'est une guerre asymétrique. C'est pas une guerre normale. Vous hmm. voyez, quand des gens viennent tuer des populations civiles, quand des gens viennent se faire exploser dans des mosquées, quand des gens viennent dans des marchés se faire exploser et tuer des innocents, je pense que euh, ce n'est plus ce n'est plus de la guerre. Donc je pense que certainement que l'armée tchadienne, qui est une armée aguerrie, va essayer en tout cas de limiter les bavures. Vous savez, il n'y a pas de guerre propre. Hein. Hmm. Il faut qu'on se le dise. Euh, même les guerres américaines menées en Irak, en Afghanistan, il y a toujours des bavures. Il n'y a pas de guerre propre. Mais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y ait moins de bavures possible hmm. et vraiment faire en sorte que les criminels puissent être liquidés. Alors, Maintenant, mais... il y a des populations hmm. civiles, c'est de faire le maximum pour ne pas les toucher. Vous savez, dans cette guerre-là, où les gens sont complices pratiquement, du terroristes. Dans les villages, les gens, les civils sont pratiquement complices du terroristes. Euh, C'est très difficile de savoir qui est, euh, euh, qui est de quel côté. Alors, même qu'est-ce qu'il faut craindre le plus dans cette grande offensive euh, Dans cette grande offensive, ce qu'il faut craindre, c'est les populations, les civils aussi. Et je pense que euh, toute guerre, hein, toute guerre a ses conséquences. Toute guerre a ses conséquences. Donc, euh, tout ce qu'on doit craindre, c'est ce qui adviendra peu après. Donc, avec <laughs> la perte, comme on le dit, et nous, nous souhaitons que c'est vrai ce qu'a dit Garé, on ne peut pas faire de prisonniers, il ne faut pas faire de prisonniers, du moment que eux aussi ne nous laissent pas euh, le temps peut-être. Euh, oui, oui, il faut les mener il faut mener cette... offensive En minimisant les, dommages collatéraux. c'est ça, c'est ça en fait. Merci beaucoup Maimouna Diado, merci à tous d'avoir été des nôtres durant ces 45 minutes. Nous étions en compagnie de Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation, au téléphone avec nous et Hussein Issa également au téléphone. Et nous étions en compagnie de Maimouna Diado, journaliste à la télévision Tambara. Merci à tous, je suis Alassane cousine Mahamadou pour la présentation de cette émission. La réalisation technique a été assurée par Issa Lawali. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes samedi et dimanche à 2-17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa et dimanche, le forum en Zarma. Bonsoir.